qui regroupe 635 membres góor numéro de récépissé 1544 du tel date 2012 délivré par qui le ministère de l'intérieur du Sénégal Moudadi noté deuxième exemple association homosexuelle reconnue par l'État du Sénégal euh, euh prudence président dit, euh, Bangoura numéro de récépissé tant, parce que maa ngi délire, lire euh, date de délivrance, temps, délivré par qui La DAGD, euh, Direction de l'administration euh, générale du territoire, ministère de l'Intérieur. Troisième exemple, parce que moi, il y en a 16, ouais, il y a règles Après, je vais vous adresse email, je vais l'intégralité. Et c'est fait. ma man de dama dégg média partout euh, Jamra nan que y a des récépissés de d'associations d'homosexuels et de lesbiennes délivrés par l'État. état dal ñun affaire bi daf ñu man personnellement à euh, Ngouille Ndiaye ba ma nekkee ministre de l'Intérieur. ba tay mosuma joxé récépissé loolu dal la bëggoon ñu waxtan mané ko aussi longtemps que l'on puisse remonter dans l'histoire mosoo gis fenn Jamra di personnaliser ses combats yow bu dee Ndiaye personnellement mosoo joxe récépissé bravo waaye dañu institution bii nga dirigé ca nguuru Ablaye le de l'intérieur joxe nañu juróom-ñeenti récépissé ay góor jigéen ak kuréelu lesbienne ci nguur ñu toll ñu bilan mu neuf léegi seize la kon yéen joxe ngeen ci sept mu ne waaw mais xam bu ñuy di euh, une reconnaissance légale comme les partis parti politique di ou wala syndicat ils ne se déclinent pas d'emblée comme association d'homosexuels je ne jamais ils ne le font pas mais ils vous ont trompé Maintenant, troisième euh, association association les lesbiennes euh, euh, dirigée par Ndeye association baa sourire de femme numéro de récipicé, temps en date du tel délivré par le ministère de l'intérieur du Sénégal voilà ce que les gens disaient que Jamra raconte des histoires vous avez les originaux des récipicés.

un état ah, nga euh, état bi nga daldi def code pénal l'article 319 qui condamne les unions contre nature ñepp rafetlu ko parce que nous sommes quand même un pays de croyants à 95 de musulmans té jullit yi téere bi ñu sukkandiku suñu borom reub na ci fuk ak juroom ñetti yoon donc 18 fatwa contre les unions contre nature suñu benen euh, euh, mbokk yi nga xamné ñoo bokk gëm-gëm catholique saint téere bi Biontial, insa les évangiles Soit demain, dans le chapitre Lévitique verset 22 si borom nee coucher avec un homme comme on couche avec une femme c'est une abomination kon ci réalité socioculturelle ce ci si le si le signe législateur sukkandiku a di l'article 319 du code pénal qui condamne l'homosexualité alors nous avons la contradiction Moi, un état nag ngay def le ba appui, ba ne a pas le même état jaar ci souffre, ne góor pas. ñi am le c'est ça qu'on dénonce.